Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangu. La fréquence et la sévérité des précipitations extrêmes et des inondations ont considérablement augmenté ces dernières années. Dans le seul bassin du fleuve Niger, où vit 40% de la population du pays et où se trouve la capitale, 100 000 personnes en moyenne sont touchées par les inondations chaque année selon l'indice NDGEN, Notre-Dame Global d'adaptation initiale, qui est un indicateur développé par l'Université de Notre-Dame. L'apport des femmes dans la gestion des catastrophes naturelles, cas des inondations, c'est le thème de notre forum aujourd'hui. Je suis Rafika Taher pour modérer ce débat et pour les discussions sur cette thématique. Nous avons invité autour de cette table Monsieur Moutari Daoudouka du ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant et de Madame Binta Ismail Adolphe, coordinatrice de l'ONG Joliba. Les femmes, de par leurs capacités et leurs ressources, sont des agents importants du changement. Le renforcement des capacités des femmes à atténuer et gérer les catastrophes naturelles doit donc constituer une étape essentielle vers l'édification de communautés fortes. Nous allons commencer par vous, Madame Binta Ismaël. Expliquez-nous tout d'abord ce que vous faites à l'ONG. Merci beaucoup, Madame Rafika. Je suis Ismaël Adolphe Binta, la coordinatrice de l'ONG Sauvant le Joliba. Souvent, le Djoliba, c'est sauver le fleuve Niger. Voilà, c'est en langue mandingue, le fleuve Niger. Euh, au niveau de l'ONG, souvent le Djoliba, nous travaillons dans le domaine du fleuve Niger pour pouvoir le protéger face aux menaces climatiques qui sont là, le changement climatique, mais aussi face aux problèmes d'ordre humain. Par exemple, euh, l'ensablement du fleuve Niger. Aussi, il y a les ordures ménagères qui sont là, qui sont jetées, les ordures plastiques aussi, qui sont jetées par les, par les, par les riverains ou bien de façon générale par la population nigérienne. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaye de protéger le fleuve Niger parce qu'il est en train d'être étouffé, il est en train d'être agonisé et vraiment c'est l'objectif principal de l'ONG souvent le Djoliba pour pouvoir protéger ce fleuve-là contre toutes les les problèmes auxquels il fait face. C'est euh, surtout ça. D'accord. Est-ce que vous intervenez dans la gestion des inondations et la prévention oui, on intervient d'une manière parce que d'une manière on intervient parce que euh, ici lutter contre l'ensablement du cours d'eau du fleuve Niger permet aussi euh, de, lutter ou bien de prévenir les inondations surtout sur les rives du fleuve Niger. D'accord. Nous sommes donc en début de saison pluvieuse au Niger. Quelle est la situation générale aujourd'hui? Aujourd'hui, euh, en tout cas de plus en plus, comme il y a déjà les fortes précipitations qui commencent, euh, nous constatons déjà que le fleuve Niger est en train de se remplir, c'est la période de, de, crue. Mhm. il faut vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, en tout cas, les populations ne soient pas touchées comme chaque année. Voilà. Justement, vous avez parlé de l'ensablement du fleuve. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation cette année cette année aussi, il y a des risques d'inondation parce que le fleuve Niger, vraiment, il est, il est ensablé. Il y a vraiment du sable dedans et vraiment, il faut, il faut vraiment prendre les mesures nécessaires pour pouvoir, en tout cas, atténuer, en tout cas, les risques d'inondation. D'accord. Monsieur Moutari, bonjour. bonjour. D'accord. Vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents types d'inondations au Niger? Mhm. Donc euh, moi, à ma connaissance, il y, a des inondations qui sont liées à, au cours d'eau, cest dire que les cours d'eau viennent euh, avec force, même si on n'a pas eu des pluies au Niger. Mais il y a également des inondations liées aux pluies, qui sont tombées dans la, mhm. euh, dans, la ville, par exemple, dans la ville de Niamey où on se place quoi. Donc voilà, moi, euh, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Mhm. D'accord. Le Niger est considéré comme le deuxième pays au monde le plus vulnérable au risque croissant d'inondations, de sécheresses et d'épisodes de chaleur extrême liés au changement climatique. Selon vous, quel est le rôle de la femme dans la gestion des inondations au Niger euh, En tout cas, la, femme a, un grand rôle à jouer dans, la gestion des inondations. Parce que, en fait, les inondations c'est un problème des genres, comme on l'a dit, et parce que c'est il y a la responsabilité des femmes comme la responsabilité des hommes par rapport à la gestion de, ces, inondations. Donc les femmes peuvent d'abord, à, mon sens, apporter leur appui en termes de, de conseils à leur mari par rapport à la construction de, de, de leurs locaux. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger, compte tenu des moyens que les gens euh, ont, euh, construisent vraiment avec des, des, des matériaux très, très fragiles. Donc, ce qui fait que dès qu'il y a inondation, disons, du coup, ils sont, ils sont, ils sont victimes. Donc, elle peut apporter son appui en termes de, de, sensibilisation à son mari, c'est-à-dire de conseils. Elle peut apporter également un appui matériel parce que euh, euh, les femmes sont les plus euh, disons touchées par les phénomènes des, inondations. Mhm. Lorsqu'il y a une inondation, c'est les femmes qui sont beaucoup plus touchées parce que c'est elles qui doivent gérer les effets qu'elles ont, c'est elles qui doivent gérer également les enfants et c'est elles qui doivent gérer également le quotidien comme on le dit. Donc par conséquent, si elle a quelque chose à donner, elle, elle, va pas hésiter un seul instant à donner tout ce qu'elle a comme matériel pour pouvoir gérer cette, cette, cette inondation-là qui, qui sévit en, elle. Parce qu'en réalité, c'est elle qui est la, la, vraie victime. Mhm. Donc, euh, et j'allais vous dire que cette, euh, le, problèmes problème d'inondation, c'est déjà un problème pris en charge par le ministère de la promotion de la femme, en tout cas, de par la politique nationale des genres. Mhm. en son axe 3, je, vous l'ai cité, il dit euh, que cet axe 3-là, c'est autonomisation économique des femmes, économique et croissance inclusive, en lien avec la gestion durable de l'environnement, les, les, changements climatiques, la gestion des risques et des, catastrophes, les migrations et les urgences humanitaires. Vous voyez mhm. Donc ça, c'est une thématique qui entre bel et bien dans le cadre de de, la gestion quotidienne du ministère. Mhm. Donc, par conséquent, la femme doit être en avant-garde de, la gestion, de la gestion des inondations en donnant des conseils à leur, à mari et en, apportant également eh, ce qu'elles peuvent, en tout cas en termes de matériel. Parce que vous n'êtes pas. Eh, eh, tout le monde sait que les femmes, en tout cas au Niger, sont très, braves, très braves. Elles fournissent beaucoup d'efforts et pour, pour peu qu'elles soient un peu soutenues, en tout cas, c'est des fois même les hommes qui, qui, fuient pour aller pour laisser les femmes dans cette situation d'inondation s'il y a s'il y a lieu. Moi, mm. je ne dis pas tous les cas, mais quand même, à, plus, on peut voir plusieurs exemples de, ces cas-là où les hommes laissent les femmes gérer ce truc. Donc, par conséquent, et ces femmes-là peuvent apporter tout leur, tout leur effort physique, leur effort matériel, financier et, et, les conseils qu'elles peuvent apporter à leur mari pour la gestion de, de l'inondation. D'accord. Madame Binta, la même question pour vous. Quel est le rôle de la femme dans la gestion des inondations au Niger, selon vous Bon, le rôle de la femme dans la gestion des, inondations au Niger, il y a d'abord la sensibilisation. La femme peut en tout cas faire la sensibilisation autour d'elle. C'est-à-dire, par exemple, les petites sorties qu'elles font les femmes, elles peuvent sensibiliser déjà euh, sur, euh, en tout cas, les risques, comment gérer aussi les inondations aussi parce qu'il faut noter que les femmes sont les plus vulnérables. Et aujourd'hui, elles représentent en tout cas plus de la moitié de la population nigérienne. Et vraiment, je pense bien que la femme euh, doit apporter ou bien apporte déjà une contribution euh, dans le domaine de la gestion des inondations au Niger. Le Niger fait face aux inondations ces dernières années, étant d'une société patriarcale où l'on attend des femmes qu'elles jouent un rôle de second rôle qui, pour une grande part, les confine à la maison et se réduit à porter et à élever les enfants. Quelles sont les conséquences pour ces femmes qui sont à la maison et qui et que faire pour leur euh, venir en aide et surtout lorsqu'on constate que certaines d'entre elles déchargent euh, les débris ménagers dans les caniveaux. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça voilà. Par exemple, pour l'ONG Sauvons le Djoliba, ça fait partie de notre action phare mhm. de sensibiliser la population, surtout riveraine, sur les ordures ménagères et plastiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate le Nigérian, c'est quelque chose de banal pour lui, quelque chose de très naturel pour lui, de prendre les déchets et de jeter dans les caniveaux ou bien dans les cours du fleuve ou bien sur les rives du fleuve Niger. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ce qui cause souvent l'inondation parce que l'eau ne passe pas et voilà, ça, ça se stagne et du coup, il y a cette inondation qui est là. Mhm. Euh, la sensibilisation, c'est très important en tout cas euh, de sensibiliser ces femmes-là pour que eux qui sont euh, toujours à la maison, qui sont là, qui éduquent les enfants, en tout cas qui gèrent le, qui gèrent le ménage, vraiment d'essayer à leur niveau de ne pas jeter ces ordures-là sur ou bien dans les lits ou bien dans les égouts euh, pour ne pas en tout cas causer beaucoup de dégâts quand l'inondation est là. Oui, vous leur conseillez de ne pas jeter des, ordures dans les caniveaux. Quelles sont les alternatives Comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre Bon, elles doivent s'y prendre. Euh, je pense bien qu'au lieu de jeter ça dans le lit du, fleuve ou bien dans les égouts, pourquoi pas ne pas amener ça dans les endroits où les poubelles ont été déposées, elles vont mettre ça. Voilà, mhm. parce que je pense bien que dans les quartiers, dans les différents quartiers de la ville de Niamey, il existe ces poubelles-là, il y a ces poubelles-là. Ils ne doivent pas jeter ça par terre s'il Il faut mettre ça dans la poubelle, c'est important. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, ah, ils déposent juste devant la poubelle au lieu de mettre dedans. Parce que quand le vent va venir, ça va partir avec ces déchets-là. Et mhm. ça va encore retourner sur le fleuve. Ce mhm. n'est C'est pas important. C'est-à-dire, comme on le dit, on a fait du travail arabe. Voilà. Je conseille vraiment à, -là, à ces femmes-là vraiment de, bien faire, de bien faire et de prendre ces déchets-là et mettre dans les différentes poubelles qu'il y a dans les quartiers. D'accord. Voilà. Monsieur Moutari, après tout ce qu'on vient de se dire, quelles sont les conséquences en général de ces inondations pour ces femmes qui sont à la maison, pour euh, toute euh, la population en général Vous savez, quand il y a inondations... Je le disais tantôt, c'est la femme qui, qui, tire les plus grandes conséquences. Par exemple, l'inondation, c'est la femme qui tire le plus grand nombre de conséquences parce que c'est elle qui gère le, foyer, c'est elle qui gère les enfants. Et dès qu'il y a inondation, on peut avoir, par exemple, affaire à... D'abord, les, les, maisons peuvent s'écrouler. Et quand les maisons s'écroulent, ce sont les effets des femmes qui sont... Euh, c'est la femme qui est victime parce que ce sont ces effets qui sont gâtés. Et quand il n'y a pas un abri, la femme, elle est inquiète parce que ses enfants ne savent pas là où, elle ne sait pas là où mettre ses enfants. C'est notre euh, petit souci que, que, qu'on a, que de gérer des petits-enfants, hein, nous autres hommes. Mais c'est, la femme qui se soucie de cela. Il y a froid qui va embêter ses enfants. Peut-être que les familles qui sont victimes de ces genre d'inondation, c'est des familles qui sont sans, grands sans, sans grand moyen. Par conséquent, même pour avoir là où se coucher, c'est un problème. Trimballer les effets pour, pour être dans, dans, des écoles ou dans, ou dans d'autres euh, logiques qu'on leur apporte, et qu'on leur donne, en fait, ça, c'est, c'est le casse-tête de la femme. Et il y a les maladies. Parce que quand il y a une inondation, on peut avoir des maladies. Généralement, ça, va toucher le plus les enfants. Et quand ça touche les enfants, c'est la femme qui est, qui est, victime, parce que c'est elle qui sent ça dans sa, dans sa chair. Mhm. Donc, par conséquent, toutes ces conséquences-là que vous voyez, c'est en fait la femme qui, qui, qui, prend le coup par rapport à ces inondations. J'allais tout à l'heure dire que eh, vous dites que la femme est confinée à la maison. En mhm. réalité, là-bas, elle aussi, elle joue, un rôle. Mhm. Elle joue un rôle. Parce que en fait, quand on parle du genre, par exemple, c'est le, rôle et les responsabilités de chacun et dans, une dans une famille, dans une communauté. Maintenant, dans la famille, mais la femme, elle est là. C'est elle qui gère le quotidien. Et quand on n'a pas le quotidien, on ne peut pas venir travailler. N'est-ce pas Par mhm. exemple, c'est elle qui, prépare le repas, c'est elle qui s'occupe des enfants. Mais tout ça, là, quand tu vas donner ça à quelqu'un, quand, tu quand quelqu'un va te le faire, tu vas le payer combien mhm. Donc, par conséquent, ce n'est pas un, un, petit rôle. Donc, Maintenant, en tout cas, en termes de conséquences, c'est la femme, moi, selon moi, qui tire le plus grand nombre de conséquences parce que les enfants sont touchés, elle, elle est touchée, les effets qu'elle a, elles sont touchés. Si elle faisait déjà les petits commerces, peut-être que elle va remettre, ça va remettre, cette inondation elle va remettre ces, petits commerces à zéro. Et par conséquent, c'est elle qui, tire le grand, nombre de conséquences. Voilà. Puisque nous parlons des femmes, est-ce que le ministère de la Promotion de la Femme dispose de mesures d'aide temporaire pour compenser et surmonter les pertes lors de ces inondations Bon, en, tout cas, à chaque, euh, chaque cas qu'il y a, en tout cas, la, la, la ministre se mobilisent, la ministre et son staff se mobilisent pour, pour apporter de l'aide à, à surtout aux femmes qui sont victimes. Mais vous savez qu'il y a un ministère qui est chargé de, de, la gestion de ces genres de cas. Bien sûr, on, a, on voulu les avoir aussi autour de cette table, mais ils n'ont pas. On, ne peut avoir, on peut apporter que ce qu'on peut. Mais en tout cas, chaque, à chaque fois qu'il y a ces genres de, de, phénomènes euh, qui touchent les femmes, la ministre se mobilise avec son staff pour pouvoir apporter non seulement un, un, euh, soutien moral, mais également s'il y a, s'il a lieu, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, euh, pourquoi pas de, de l'aide alimentaire ou un appui alimentaire ou, matériel, etc. Donc tout cela mhm. Et toutes les ONG qui organisent euh, ou les PTF qui, tous les PTF qui sont en train d'agir sur, ça, mais viennent en appui à nos ministères. Donc par conséquent, et le ministère fait beaucoup de choses par rapport à, ces inondations dès qu'elles qu D'accord. Donc, je précise à, nos chers auditeurs et téléspectateurs que le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a été convié à ce débat, mais qu'ils n'ont pas, euh, bon, n'ont pas pu honorer notre invitation. On continue avec vous, Madame Binta Ismaël. Au sein de votre association, est-ce qu'il y a des mesures d'aide temporaire que vous prenez La même question que M. Moutari pour revenir en aide à ces femmes euh, en cas de perte euh, lors des inondations. En tout cas, comme, euh, nous sommes des jeunes, la contribution que nous allons apporter, en tout cas à ces femmes-là, c'est surtout on va aller déjà sur place les assister. Par exemple, pour déjà prendre les effets, les aider à évacuer, à, les amener peut-être dans des endroits où on, on les a dit de s'installer, tout ça. En tout cas, on va essayer d'être à côté d'eux pour sentir ce qu'eux aussi ils sentent. En tout cas, apporter notre petite contribution déjà en tant qu'ONG euh, pour pouvoir peut-être les soulager. Et pourquoi pas aussi faire des, dons alimentaires, apporter de l'eau potable, parce que comme l'a dit, comme l'a dit monsieur, pendant les inondations, il y a vraiment de la pollution, surtout la pollution de l'eau, et c'est ce qui va sûrement causer euh, des, de diverses maladies, comme par exemple le choléra. Mhm. Selon le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, au 31 décembre 2022, les inondations ont affecté 365 438 personnes, soit 46 611 ménages sur l'ensemble du pays. On dénombre entre autres 41 820 maisons effondrées. Ces inondations détruisent donc la biodiversité, la vie, des moyens de substance, des infrastructures et d'autres biens. Mais elles peuvent également aggraver les risques sanitaires comme le choléra lorsque les égouts débordent et que l'eau douce et l'eau polluée se mélangent. Madame Binta, à quel niveau est-ce que les femmes sont impliquées dans la gestion des inondations au Niger Jusqu'à quel niveau elles peuvent aller, selon vous Moi, je pense bien que les femmes peuvent aller loin, hein, mhm. peuvent aller loin, parce que la femme, je dirais, dans la gestion des inondations, elle est au centre. Et elle, elle doit vraiment, ou bien elle apporte même sa contribution au plus haut point. Voilà. Euh, il faut aussi l'encourager, surtout. Il faut l'encourager, l'aider à aller de l'avant. D'accord. Tout à l'heure, vous avez soulevé cette question. Quelles mesures euh, doivent prendre les femmes face aux maladies et autres aléas dus aux inondations, surtout en zone rurale où elles restent à la maison avec les enfants Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ces femmes en zone rurale parce qu'elles n'ont pas le même euh, niveau d'information que celles qui sont dans les villes D'accord. Avant d'aborder, ah, eh, sur cette question-là, j'allais dire que par rapport au rôle que la femme, vous dites que c'est eh, va jusqu'à quel niveau En fait, mhm. elle est au début, au milieu, et même à la fin. Mhm. Parce que, en fait, en réalité, je vous dis que c'est c'est qu'on a tendance à négliger le rôle que joue la femme, quand, même si elle est à la maison, comme vous le dites. Euh, imaginez, je vais vous donner un exemple de, de l'incendie, par exemple. Lorsqu'il y a par exemple un incendie, c'est crate. quelles sont les premières personnes qui, qui, avertissent C'est les femmes, avec leur cri. Mhm. C'est déjà un abord. Mhm. Maintenant, les hommes vont venir, ils vont accourir. Peut-être quand ils vont venir, c'est les femmes encore qui vont aller puiser l'eau et donner aux, hommes. Ce n'est pas un rôle qu'ils sont en train de jouer. Mhm. En réalité, et vers la fin, maintenant, la maison qui est effondrée, c'est la ou, qui est victime de ça, c'est les femmes qui vont être les, premières à leur, à, leur apporter euh, secours. C'est la même chose pour les inondations. C'est la même chose pour tous les phénomènes euh, naturels. Donc, euh, c'est pour dire qu'elles sont à tous les niveaux. Et il ne faut pas négliger cette contribution-là. Elle est très importante. Maintenant, vous dites que quelles sont les mesures que La première des choses, il faut aller les sensibiliser. Contre, les maladies, surtout celles qui sont en zone rurale. Il faut aller les sensibiliser d'abord. Pour leur, faut comprendre que lorsqu'il y a inondation, parce que tout à l'heure, madame disait que euh, les femmes ont tendance, parce que c'est notre comportement nigérien, à verser les, les, déchets, les, ordures. ménagères et partout. Et elles ne savent pas que des fois, ça retourne contre, contre elles. Parce que euh, ça, bouche les, ça, les, ce fait que eh, ça peut provoquer les, inondations. Et dès qu'il y a inondation, il y a maladie. Et dès qu'il y a maladie, c'est les enfants qui sont les premiers, les premiers touchés. Et qui les gère, c'est les femmes. Donc, par conséquent, on doit sensibiliser les femmes pour, que, pour prendre des dispositions, par exemple, pour contre la, les palus, à l'utilisation des moustiquaires, eh, comment éviter eh, de, à prendre l'eau les, les, les, déjà polluée, pour, ne pas donner de l'eau polluée à leurs enfants et qui cause des maladies hydriques, et, et bien d'autres mesures. Parce que si, si aussi il maladie, d'aller directement vers les centres de santé parce qu'elles ne peuvent pas gérer eh, ce genre de, de, maladies-là. C'est au centre de santé d'elle Donc tout ça, on doit faire une sensibilisation intense à l'endroit de ces femmes, surtout Gérald pour qu'elles comprennent eh, la nécessité de prendre des mesures afin de protéger leur propre famille contre, les effets de l'inondation. Mmh, d'accord. Mmh. Plus de 630 000 personnes dans toutes les régions du pays ont été touchées par les inondations. Les dommages et pertes au, dus à ces inondations en 2020 auraient atteint près de 262 millions de dollars. Quels sont les moyens de prévention contre ces, ces inondations qu'on peut mettre à la disposition de ces femmes On continue avec vous les moyens de prévention, euh, le premier n'est pas euh, physique, c'est la sensibilisation. Mhm. D'abord, que les femmes prennent conscience du fait que qu'elles fassent en sorte qu'il n'y ait pas inondation, même si elles ne peuvent pas, en tout cas, que les effets soient réduits. Et deuxième chose, c'est que euh, il faut sensibiliser la communauté à ne pas construire sur des, des lieux où il y a risque d'inondation. Troisième, euh, il faut euh, permettre, disons, parce que par exemple, dans certains villages, vous allez voir qu'il n'y a même pas là où un passage, ce n'est que des couloirs. Donc, l'eau, quand ça rentre, l'autre refuse de, que l'eau passe par lui. Alors, par conséquent, ça peut écouler sa maison et ça peut écouler l'autre maison. Mhm. Donc il faut également sensibiliser ces communautés-là afin d'éviter ce genre de comportement-là. Ensuite, cas où il y a, au cas où il y a il y a, il y a inondation. Donc, je ne sais pas si nous sommes en train de parler de solutions ou bien de prévention. Oui, les moyens de prévention qu'on peut mettre à la disposition de ces femmes. En, tout cas, moi, c'est ce que je pense par rapport à, à, aux moyens de prévention. Mm. Sauf que maintenant, les humanitaires, maintenant, plus, en plus de ça, place des, tentes ou bien euh, comme ça, des, préfabriqués ailleurs pour pouvoir empêcher que les femmes là soient déjà victimes de, ces inondations. Mm-hmm. Donc voilà, moi, ce que je pense par rapport à, à, à ces points-là. D'accord. Mm-hmm. Et Selon vous, Madame Binta, quels sont les moyens de prévention qu'on peut mettre à la disposition des femmes pour euh, venir à bout de ces inondations hmm, D'abord, les, les, moyens de prévention, d'abord, pour moi, c'est d'abord de désensabler le fleuve C'est important. Mhm. Parce que même si on prend des dispositions pour protéger les femmes, pour protéger les hommes, moi, je pense bien que ça n'aurait pas tellement d'effet parce que chaque année, ça va se répéter parce que le fleuve Niger est en train toujours de, de, de s'ensabler. Il est important de désensabler le fleuve Niger. C'est important. Mhm. Parce que le fleuve Niger, il est plein de sable. Et là, quand l'eau vient, quand il y a la pluie, quand ça vient, bon, ça va rentrer dans les maisons. Mhm. C'est tout à fait normal. Mhm. <laughs> voilà. voilà. Euh, la deuxième des choses, euh, aussi, de ne pas construire sur les, sur, sur les, en tout cas, c'est un peu l'espace de, euh, du fleuve Niger, sur les rives et autres, en tout cas dans les espaces du fleuve faut pas construire sur ces espaces-là, sur ces terrains-là. Parce que déjà, on sait que voilà, c'est des, des, des terrains où ils sont susceptibles d'être inondés, mm. mm-hmm. surtout pendant la période, pendant la période pluvieuse. Voilà. De deux, ce que je dirais, de ne pas en tout cas construire sur ces, sur ces terrains-là à risque, parce que c'est des terrains à risque, et aussi de surtout la sensibilisation. La sensibilisation, elle est importante vraiment de sensibiliser ces femmes-là, pas seulement les femmes, les riverains, mais aussi de façon générale tous les Nigériens. D'accord, je vais revenir euh, en arrière en 2020 et insister encore sur la prévention des inondations. Comment faire pour éviter euh, la catastrophe euh, que certaines personnes ont vécue en 2020 Oui, les inondations de 2020 parce que c'était l'une des plus fortes inondations que le Niger a pu enregistrer. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter cela à l'avenir Ce qui doit être fait, c'est vraiment le désensablement du fleuve. Hein. C'est toujours le c'est le problème phare. Mhm. C'est le problème phare. Mhm. Il faut il faut vraiment désensabler le fleuve Niger parce qu'il est plein de là vraiment déjà c'est plein de sable. Maintenant, avec les précipitations, avec l'eau qui vient, ça, ça, fait en sorte que vraiment il y a les inondations et ces inondations sont très importantes et causent beaucoup de dégâts. D'accord. Monsieur Moutari, je pense que l'État procède euh, déjà à des sensibilisations concernant les inondations. Pensez-vous que euh, les femmes, elles tiennent compte de, ces sensibilisations Est-ce que est-ce qu'il y a eu des changements Est-ce que le comportement des femmes a changé euh, Bon, de toute façon, la sensibilisation, c'est le moyen, en tout cas les plus forts e pour, la, prévention. Tout ce qui va suivre, c'est la réparation. Et là, ce n'est pas la, ce n'est pas la prévention. Mhm. Euh, donc, je pense quand même qu'il y a un regain de, de, de, compréhension au, sein des femmes. Mhm. Parce qu'elles, elles sentent ça beaucoup plus que les hommes. Par conséquent, il y a des compréhensions. Vous savez, la sensibilisation, c'est un truc de longue haleine. Mhm. Est-ce que les, efforts, déployés par les autorités ont, rendu positif aujourd'hui Oui, mais, mais euh, on, ne peut pas ne pas avoir des, des, effets positifs par rapport à ça durant toutes ces années qu'on est en train de sensibiliser la population. deux mhm. Des fois, peut-être que c'est la force des hommes qui fait que chaque fois, on veut bien que les gens là, hein, quittent les, les, les, là où il y a euh, les lieux susceptibles d'avoir une inondation, mais c'est les hommes peut-être qui forcent assez ce, assez Mais sinon, si ça ne dépend que des femmes, elles ne vont jamais venir s'asseoir et, et, construire dans les, lits du fleuve ou alors euh, là où il y a euh, des, des, euh, des, Comment ça s'appelle Les ruisseaux mm-hmm. susceptibles de provoquer l'inondation. Mm-hmm. Si ça ne dépend que d'elles. Mais malheureusement, c'est qu'il y a les hommes qui encore, je ne sais pour quelle raison, en tout cas, veulent rester tout le temps, même s'ils si, ont reçu des, des, terrains eh, pour éviter ces inondations, reviennent encore dans les lits du fleuve pour reconstruire parce que peut-être ils veulent avoir tout le temps eh, eh, de, l'aide. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais je pense que quand même, les femmes ont bien compris parce que, quoi qu'il en soit, c'est elles qui tirent la plus grande conséquence. Mais la civilisation c'est un processus de longue haleine au fur et à mesure qu'on avance, surtout pour celles qui n'ont pas, même pas été à l'école, il va falloir les sensibiliser plusieurs fois. On ne va jamais se fatiguer. Je, demande aux ONG et même aux, ministères qui sont concernés par ce genre de phénomène, de continuer encore la sensibilisation parce que c'est un truc qui est de longue haleine. Même nous, pour comprendre mieux et être là où nous sommes, il, a fallu qu'on fasse des études pendant des années. Donc, par conséquent, je crois que ça donne euh, des bons résultats en tout cas. Moi, j'ai l'espoir. D'accord. Donc, comment identifier l'impact des inondations sur les femmes et leur implication dans la gestion Quand vous nous parlez que ce sont les hommes qui obligent des femmes à, abriter sur les rives euh, du fleuve Niger. Donc, comment est-ce que ces femmes doivent s'impliquer pour empêcher cela Qu'est-ce qu'elles doivent faire Y a-t-il euh, quelque chose que vous pouvez leur conseiller euh, ça, ce n'est pas seulement le conseil euh, dédié aux femmes, seulement c'est le conseil dédié aux hommes et aux femmes. Mhm. Il faut que chacun, euh, toutes les communautés fassent participer leurs femmes du début à la fin dans le processus. Parce que Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche, la participation pleine et entière de la femme. Il ne faut pas négliger même les, les, euh, ça, même les propos d'un enfant de, de, 5 ans, 6 ans. Il ne faut pas les négliger. À plus forte raison, les propos de sa, les, conseils de sa propre femme. Donc, je crois que les, femmes doivent continuer à sensibiliser leur mari, en tout cas qui sont qui s'entêtent à venir construire dans les, dans les lits du fleuve ou là où il y a des ruisseaux ou, susceptibles de provoquer des inondations. Elles doivent continuer à les sensibiliser. Parce que quoi Quoi qu'il en soit, comme je le disais, c'est elles qui tirent les conséquences. Donc, elles doivent on doit les impliquer par rapport à la gestion de ces inondations-là. On les implique au début, on les implique au milieu et on les implique à la fin. Mais sans ça, en tout cas, si tu dis que tu vas, euh, on va, si on dit qu'on va négliger la participation de la femme, on n'aura jamais de bons résultats. L'autre aspect, c'est que euh, pour que ces femmes-là, leurs propos tiennent, moi je demande au PTF et à, l'État d'apporter euh, en un appui pour l'autonomisation économique des femmes. Si les femmes là qui ne font rien, qu'on pense qu'elles ne font rien parce qu'elles sont à la maison, si elles ont des choses à faire qui leur permettent d'avoir euh, des revenus, alors elles seront écoutées par les hommes. Parce qu'elles ont une contribution à donner. Elles mhm. seront très bien écoutées par les hommes. Mais lorsque c'est pas elle qui elle décide de rien, il faut qu'on leur apporte tout. Et pour un homme qui, refuse à sa femme de, mener des activités génératrices de revenus, alors par conséquent, les femmes vont continuer à subir seulement les conséquences. Donc, voyez-vous. Donc, il faut qu'on leur apporte vraiment un appui conséquent pour qu'on fasse le développement, en tout cas d'une famille, d'une communauté ou d'un pays, il va falloir que tout le monde participe. Et pour participer, il faut avoir un revenu. Et pour avoir ce revenu-là, pour les femmes, surtout en milieu rural, il faut leur apporter un appui conséquent pour mener des activités génératrices de revenus ou même pourquoi pas euh, autre chose qui peut leur apporter, leur permettre de, bien parler et de bien être, bien d'être bien écouté par la communauté, par leur, par leur mari et, par le pays même. Mhm. D'accord. Madame Binta Ismaël, comment identifier donc l'impact des inondations sur les femmes et leur implication dans la gestion des inondations En tout cas, l'impact par rapport à l'impact, c'est vraiment la sensibilisation, comme il a dit. La sensibilisation, elle est très importante et elle est de longue haleine. Il ne faut pas juste dire, bon, quelques mois de sensibilisation, c'est suffisant. Non, il faut continuer dans le temps et dans l'espace. La sensibilisation, c'est très important. Aussi, comme il a dit, il y a l'autonomisation économique de la femme. C'est important. Il faut que la femme soit économiquement indépendante, c'est important parce que elle aussi quand elle est économiquement indépendante là aussi elle aura son mot à dire parce que quand elle va dire quelque chose on est obligé de l'écouter on est mhm. obligé de l'écouter parce qu'on sait qu'elle va amener quelque chose elle a sa contribution à donner quand mhm. elle a sa contribution à donner c'est tout à fait normal qu'on l'écoute et quand aussi il y a des prises de décision il faut mettre les femmes aussi il faut écouter les femmes pour qu'ensemble nous puissions prendre des décisions qui vont permettre à ce que le Niger avance Faudra-t-il, que faudra-t-il faire donc pour mettre en évidence le leadership des femmes dans l'adaptation face aux inondations Que faudra-t-il faire pour leur indépendance peut-être économique, sociale, sociopolitique pour euh, mettre leur leadership en avant D'abord, pour, pour, mettre le leadership de la femme en avant, d'abord, c'est d'abord l'éducation. C'est important l'éducation. Il faut éduquer la femme. Parce que comme l'a dit un philosophe. Dans le sens de la gestion des inondations. Voilà, mhm. comme le dit le philosophe, on devient l'homme que par l'éducation. Il faut vraiment éduquer la femme dans le sens, bien sûr, de, gérer euh, les, inondations. Il faut aussi euh, essayer de l'aider, de, de, lui apprendre les, différents euh, moyens pour qu'elle puisse avoir quelque chose à faire. Pas seulement rester à la maison, euh, qu'elle s'occupe des enfants, tout ça là c'est bien, mais quand même de trouver quelque chose, des petits travaux à faire pour qu'elle puisse avoir quelque chose, même si le mari n'a pas elle, elle peut contribuer pour aider, pour les gérer la famille. Voilà, c'est important aussi de souligner cela. La même question pour vous, Monsieur Moutari. Que faudra-t-il faire pour mettre en évidence le leadership des femmes de l'adaptation face aux inondations euh, donc, vraiment, pour mettre en évidence le leadership des femmes, il faut, comme on dit, assurer son autonomisation. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans le programme de, Renaissance, je crois qu'il a dit que euh, ce programme euh, met l'accent sur l'élimination de toutes les, formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles et sur leur participation pleine et effective. Donc pour avoir une, euh, euh, à, euh, à tous les niveaux décisionnels de la vie politique, économique et, publique. Donc pour assurer cela, il va falloir qu'elle ait, qu'elle dans leur main quelque chose. j'ai la coutume de dire quand je donne des, petites formations que qui n'a rien là n'est rien, comme dit le burkinabé Alors donc, elle quand les femmes mènent des activités génératrices de revenus, au moins elles n'embêtent pas leur mari en cas de maladie pour leur enfant pour Imaginez un homme de la campagne qui, qui, sort un matin, on lui dit ton enfant est malade, il faut amener 5 000 francs ou amener 2 000 francs pour, l'amener au CSI. Mhm. Il va tout de suite se mettre sur ses chevaux et, commencer à grandir. Mais quand elle a ces moyens-là, elle part elle-même amener son enfant. Demain, dès qu'elle lui fait une proposition, elle va accepter parce que c'est elle qui a traité cet enfant-là. Donc, il faut d'abord assurer, euh, leur apporter un appui, en tout cas, par rapport à, pour mener des activités génératrices de revenus, afin qu'elles soient économiquement autonomes et, et, et, prendre en compte leur participation à tous les niveaux. Je dis bien leur participation à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on prône à l'international, même au niveau de, euh, comme ça, pour le maintien de la paix et de la sécurité, c'est ce qu'on cherche. On cherche à travers, pour, juste pour euh, ouvrir une parenthèse, la résolution 1325, par exemple, cherche la, participation de la femme dans la prévention, la gestion et, le maintien de la paix euh, à, à tous les niveaux. Donc, pour le faire, en fait, quand il y a inondation, il n'y a pas de paix, en réalité. Mm-hmm. Et ça, crée généralement même le conflit. Donc, alors pour le faire, il va falloir que les hommes changent de mentalité, à travers bien sûr que la sensibilisation, changent de mentalité pour accepter la participation de la femme, d'abord de la prise de décision, ensuite maintenant qu'on apporte des, des, des, des, appuis, que ce soit les PTF ou l'État ou quelqu'un d'autre ou les ONG comme celle-là, qui cherchent l'argent avec les PTF pour apporter un appui. Eh, aux femmes afin qu'elles mènent des activités génératrices de revenus et avoir et être indépendamment Mm-hmm. et, économiquement indépendante afin de pouvoir aider le mari. Si tu ne peux rien me faire, si tu ne peux rien m'apporter, si je te dis je vais construire ici, là, tu es obligé d'écouter. Mais si tu sais que tu, si je sais que tu as, un, tu as quelque chose à apporter à moi, quand tu me fais des propositions, j'accepterai. Mm-hmm. Moi, c'est moi, selon moi, en tout cas, c'est cela. Et que vraiment, ça, c'est le travail, c'est le, le, rôle régulier de l'État, c'est le rôle régulier des, ONG, et c'est le rôle régulier, régalien, pardon, des de, PTF d'apporter un appui conséquent aux femmes là pour pouvoir eh, eh, accéder à, à, l'autonomisation économique. D'accord. En dernière question, quel appel avez-vous à lancer autour de ce thème Bon, si j'ai un appel eh, autour, de ce thème à lancer, c'est d'abord que qu'on évite des comportements susceptibles de provoquer des inondations. Tout à l'heure, madame le disait, les femmes, euh, ça c'est notre comportement de tous les jours. Tu prends un, sachet d'eau, tu jettes ça euh, dans, la rue, et l'eau, le vent prend ça pour amener ça dans les égouts. L'eau vient également, ça ramasse tous les débris là pour les amener et, euh, fermer les différentes voies de passage d'eau et ça peut provoquer l'inondation. Donc il faut vraiment qu'on change notre comportement du point de vue de l'hygiène et verser les, euh, les déchets dans les, différentes euh, poubelles qu'on dépose au niveau des quartiers. Et deuxième chose, qu'on évite de construire sur les sur des lieux susceptibles de provoquer des, inondations. Par exemple, dans les lits du fleuve, euh, si vous partez en, euh, euh, hors du fleuve, donc il y, a des, a des passages d'eau que les gens viennent caler carrément et, empêcher à l'eau de passer. Donc, il faut éviter ce genre de comportement-là. Et deuxième chose, il faut également, maintenant, je vais revenir sur les femmes, faire participer, en tout cas, prendre en compte les, les avis des femmes pour, les, pour eh, lutter, ou, lutter contre ces inondations-là. Parce que ces femmes savent pourquoi elles sont en train de vous, de vous donner des conseils. Elles savent que c'est elles qui tirent les conséquences, que ce sont les enfants qui tirent les conséquences, et par conséquent, c'est elles qui gèrent les, les enfants. Donc, et, eh, il faut prendre en compte leur avis, du début en tout cas jusqu'à la fin. Mhm. En ce sens, en tout cas, seul ces genres de comportements-là peuvent éviter et disons, amoindrir les, les effets des, des, inondations ou même les inondations de façon générale. Maintenant, quant à l'État, euh, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est d'apporter, l'État et les PTF, c'est d'apporter leur appui aux femmes. Parce qu'on a tellement apporté des, appuis aux hommes que ça n'a pas, ça pas abouti. Mais peut-être en apportant des appuis aux femmes pour, pour leur autonomisation économique, ça pourra faire en sorte que les hommes de, nos communautés écoutent les habits des femmes et prennent en compte les avis des femmes par rapport à la lutte contre les inondations. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et vous, Madame Binta, quel appel avez-vous à lancer pour les femmes, pour les hommes euh, ou en général dans la prévention et la gestion des inondations L'appel que j'ai à lancer par rapport à la prévention euh, des inondations au Niger, c'est d'abord de ne pas jeter ou bien mettre les ordures ménagères dans les rives du fleuve Niger. C'est important parce que c'est ce qui fait en sorte que à chaque fois nous constatons euh, les inondations par-ci, par-là. C'est important. Aussi, il faut, il faut être un citoyen responsable. Moi, je dis qu'être un citoyen responsable, ce citoyen-là, qui, quand il prend du papier c'est un exemple, il ne jette pas n'importe comment et n'importe où. C'est important. Parce que les Nigériens va voir que c'est un truc banal, c'est pas important. Qu'est-ce que ça fait Non, ça fait quelque chose. Parce qu'à long terme, ça peut causer beaucoup de problèmes et c'est le cas des inondations. Aussi, la sensibilisation, elle est très importante. Il faut sensibiliser la, population riveraine et aussi de façon générale la population nigérienne. Voilà. Il faut aussi, aussi essayer de travailler dans le domaine de la, du désensablement du fleuve Niger. C'est aussi important parce que c'est aussi l'un des facteurs qui cause les inondations. Au niveau de l'État, maintenant, il faut aussi, comme l'a dit le monsieur, il faut vraiment essayer d'apporter euh, des contributions pour les femmes. C'est important parce que, comme il a dit, on a tellement fait des contributions, on a tellement aidé les hommes, mais pourquoi pas maintenant euh, Si ça, ça ne marche pas, pourquoi ne pas essayer de l'autre côté Peut-être ça va marcher. Déjà, on est plus de la moitié de la population nigérienne, peut-être sûrement. Ce qui est sûr et certain, on va on va, on va, on va faire le changement. Et je pense bien que c'est important que, que l'État met l'accent surtout sur la femme. C'est important et de façon particulière sur la femme rurale. C'est important. D'accord, Madame euh, Binta. J'ai remarqué que vous étiez assez d'accord avec euh, M. Moutari dans ce débat. Je pensais qu'en tant que femme, vous alliez quand même pouvoir nous apporter des choses, enfin dire des choses un peu différentes. Je n'ai pas dit quelque chose contre elle, c'est pourquoi elle, je moi je suis de la promotion de la femme, je, défends la femme. À du dans, ce le foyer, il y a toujours des problèmes. Pour l'instant, peut-être c'est pas. Vous étiez toujours d'accord avec ce que M. <laughs> ce qu'il a dit, je, partage vraiment l'idée. peut-être. si... un, un, <laughs> for c'est pourquoi elle est d'accord avec moi. Voilà, peut-être si on va au fond encore plus du débat ou bien sur d'autres domaines, là, je peux ne pas être d'accord avec lui. Ça dépend, oui. Donc, je rappelle aussi que d'après OCHA, le Niger est l'un des pays sahéliens qui subit le plus les effets graves du changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations qui perturbent la saison agricole. Selon les données officielles, environ 100 000 hectares de terres arables sont perdus chaque année en raison de l'érosion hydrique, entraînant la perte des cultures et de moyens de substance pour des milliers d'agriculteurs. En résumé, dans ce débat, la première des choses est de procéder à la sensibilisation des femmes selon les invités pour contribuer à la gestion des inondations et les intimer à ne surtout pas déposer les ordures ménagères dans les caniveaux. Selon nos invités toujours, il est important de désensabler le fleuve Niger et de ne pas construire sur les rives du fleuve afin de favoriser et enfin favoriser l'autonomisation des femmes pour qu'elles puissent se faire écouter et participer ainsi dans la gestion des inondations et dans leur foyer et dans la société en général. Ici se termine ce forum. Merci, chers invités pour votre présence. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous nous écoutez à travers un réseau de 52 radios et cette télévision partenaire dans les 8 régions du Niger. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du forum Studio Kalangu. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée à tous.